forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou au micro Michel Dégé. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou ont une large diffusion qui couvre aussi bien Niamey que les chefs-lieux de toutes les autres régions du pays ainsi qu'une vingtaine de départements du Niger à travers son réseau dynamique de radios partenaires. Un réseau qui s'est élargi ces derniers jours avec les radios communautaires d'Ayero et de Bankilare, ainsi qu'à Niamey avec la radio privée Challenge 96.6 FM, soit aujourd'hui un total de 34 radios partenaires du studio Kalangou notre page euh, Facebook Studio Kalangu, notre site internet euh, www.studiokalangu.org. Bienvenue dans ce forum à travers lequel nous faisons quotidiennement appel à des personnes bien indiquées pour apporter des réponses à vos préoccupations relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. La participation des jeunes entrepreneurs nigériens à la table ronde et au forum des investisseurs tenu les 13 et 14 décembre dernier à Paris sur le financement du plan de développement économique et social du Niger 2017-2021. C'est le thème du forum de ce soir. Cette table ronde dite de la Renaissance a rassemblé environ 800 participants composés de partenaires techniques et financiers, d'investisseurs privés, des représentants de la société civile. Cette rencontre des partenaires au développement du Niger et le forum des investisseurs qui a suivi le lendemain ont connu un succès éclatant selon le bilan présenté par le chef de l'État lors de son adresse à la nation à l'occasion de la fête de la République le 18 décembre passé. Ainsi, alors que les financements recherchés étaient estimés à 17 milliards de dollars US, le montant total des promesses a frôlé la barre des 23 milliards de dollars US, soit 6 milliards de dollars US supplémentaires et inespérés. Il y a lieu de préciser que dans le financement recherché, sur les 17 milliards de dollars US, 7 milliards étaient prévus pour les dépenses public et 10 milliards pour les investissements privés. On voit clairement à ce niveau une volonté affichée à redynamiser le secteur privé national et de faire entrer dans ce secteur privé de nouveaux investissements. Cette dynamique passe nécessairement par l'inversion de la tendance actuelle où le secteur privé moderne ne crée qu'un emploi sur quatre au Niger, a dit le chef de l'État à la session du Forum des investisseurs. Comment se sont déroulés ces travaux avec les acteurs concernés Quelle a été la participation des jeunes entrepreneurs nigériens à Paris Qu'est-ce qui a motivé les partenaires du secteur privé à faire des promesses Quels ont été les différents engagements pris la situation actuelle du climat des affaires au Niger est-elle favorable à la concrétisation des projets Quel changement peut-on espérer avec la mise en œuvre de ce PDS 2017-2021 dans le secteur privé si toutes les parties honorent leurs engagements quelles sont les conditions à remplir par la partie nigérienne, l'État et le privé pour que toutes ces promesses ne s'envolent c'est à toutes ces questions que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse au cours de ce forum de 45 minutes qui reçoit trois invités, tous des jeunes entrepreneurs nigériens présents à ces rencontres de Paris. Il s'agit d'abord de M. Kadore Kane Habibou, directeur général du cabinet d'architecture, agence Projet 10 Afrique et président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également comme invité M. Kader Kane, qui est diplômé de la prestigieuse université de Harvard et fondateur de l'université African Development University ADU de Niamey. Monsieur Kane Kader, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Seydou Souley Mohamedou, il est directeur général de Impact.com. Monsieur Seydou Souley, bonsoir. Bonsoir, Michel. Nous allons commencer avec vous, M. Seydou Souley, jeune leader, entrepreneur, directeur général de Impactcom. Pouvez-vous nous dire en résumé comment se sont déroulés ces travaux de Paris Alors, Michel, les travaux de Paris, je pense que c'est exceptionnel en termes de mobilisation, exceptionnel en termes d'enthousiasme. Et exceptionnel aussi quand on sait que nous, Nigériens, souvent, mhm. eh, nous sommes très modestes. Nous pensons que euh, nous, nous nous confortons Mhm. dans ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui connaissent comme étant une position de modestie, mais qui nous pousse vers la médiocrité. Mais là, eh, pendant le forum de Paris, en fait, le Niger s'est montré très excellent. Mhm. Moi, personnellement, j'étais impressionné par la qualité eh, du contenu qui a été présenté à Paris, mhm. par la qualité des discours. et par le standing hein, présenté par les différents acteurs, à la fois publics et privés. Mais plus que tout cela, je pense que ce qui a été le plus impressionnant, c'est de voir l'enthousiasme qui a été démontré par les partenaires. Mhm. Il y a eu très peu de fausses notes. Mhm. Il n'y en a pratiquement pas. Je pense qu'il y a eu un ou deux pays qui ont fait des suggestions au Niger, mais la plupart disaient le Niger, vous êtes top dans ce que vous présentez. Mhm. Et euh, je pense que euh, on ne peut dire que vraiment chapeau à notre pays par rapport à cet événement-là. Ça a été organisé d'une main de maître et la réussite, je pense, a dépassé les attentes de tous ceux qui y étaient. Mm-hmm. Monsieur Kader Kane, fondateur de l'université African Development University, en tant que jeune entrepreneur nigérien, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces travaux et selon vous, qu'est-ce qui explique euh, le grand intérêt des partenaires de ce secteur privé Alors, merci Michel. C'est nous qui vous remercions. Je pense que, euh, de mon point de vue, ce qui a le plus été impressionnant, c'est vraiment comment l'événement été organisé en soi. Il y avait très mhm. peu de temps. En réalité, beaucoup de spécialistes avaient dit que compte tenu des, de tous les facteurs, qu'il fallait au moins février, fin février, mhm. pour que ce type d'événement soit réalisé de manière crédible. Et euh, vraiment, dans une course contre la montre, le Niger a réussi à organiser ça. Et c'est des gens qui n'ont pas dormi nuit et jour et qui ont montré que quand il y a une volonté derrière, le Niger peut réaliser toutes chose. Donc pour moi, la chose la plus impressionnante, c'est vraiment cette capacité à réaliser l'impossible dans la contrainte, temps, hein, clairement. Mhm. Et pour la deuxième partie de votre question, euh, à savoir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui explique l'engouement autour de ce secteur privé. Je pense d'une manière générale, qu'on regarde l'Afrique, c'est la dernière frontière hein, en matière d'opportunités d'investir et tout ça. Et dans cette Afrique-là, le Niger en soi est une, c'est comme un îlot d'exception. Donc, c'est comme dans un désert, le Niger représente euh, la seule oasis, j'ai envie de mhm. dire, où tout est possible. Donc, si vous êtes un investisseur, vous voulez faire, on va dire, une autoroute à péage, n'y a pas beaucoup d'endroits qui restent où vous pouvez faire ça. Donc, vous avez le Niger. Si vous voulez mhm. faire des hôtels de grand standing, etc., voilà, si vous voulez investir dans l'industrie euh, alimentaire, etc., l'énergie, tout ça, autant il y a des places un peu partout, je dirais, en Afrique, autant je pense que le Niger est simplement le meilleur endroit mhm. d'un point de vue holistique. Maintenant, si on rentre dans les détails, il est clair qu'on a des choses à arranger, mhm. mais l'engouement de ces gens montre aussi leur confiance en notre capacité à améliorer notre contexte pour les accueillir. Mhm. Monsieur Kadore Kane Habibou, directeur général du cabinet d'architecture Agence euh, Projet 10 Afrique et président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs Comment a été la participation des jeunes entrepreneurs à cet événement de Paris Le Niger vraiment a excellé en termes d'organisation. La qualité était exceptionnelle. Et vraiment toutes les institutions qui étaient représentées étaient satisfaites de la qualité de cette organisation. Nous aussi, jeunes entrepreneurs et secteur privé nigériens qui étaient de la partie. Euh, on n'était pas les seuls. Il y avait bien d'autres jeunes entrepreneurs qui étaient représentés des divers secteurs d'activité, comme euh, euh, l'explique, comme le détermine la composition de notre association. Mmh. Et très sincèrement, les projets comportent qu'on a portés, les projets qu'on est allé défendre là-bas sont des projets structurants pour l'économie de notre pays, pour le secteur privé. Justement, par rapport à ces projets, quels sont les différents engagements pris et qui méritent d'être cités, Monsieur le Président Bon, les engagements, je pense que là-bas, au niveau de la table ronde, les, engagements étaient d'ordre général, quoi. Mm. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés euh, de manière très pointue dans les détails concernant euh, le financement des projets des secteurs privés. Mais ce qui est évident, mm. euh, les enveloppes définies pour euh, le financement des secteurs, euh, pour le financement des projets du secteur privé, je pense que l'enveloppe, ce qui a été mobilisé, mm. plutôt ce qui a été obtenu comme promesse, dépasse largement cette enveloppe. Maintenant, il reste au secteur privé, aux organisateurs de ce forum, mm-hmm. ceux qui vont assurer euh, le suivi également de toute l'opération, d'accord, mm-hmm. jusqu'à la phase de la réalisation. C'est à eux de faire en sorte que tout se concrétise et que ce ce qui a été promis pour le secteur privé soit une réalité. En gros, il va donc euh, s'agir pour le gouvernement de développer le capital humain tout en mettant un accent particulier sur la jeunesse, comme l'a expliqué le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mohamedou, dans le message qu'il a livré le 17 décembre dernier à l'occasion de la fête de la République. Je propose de l'écouter. Mes chers euh, concitoyens, les jeunes de moins de 25 ans constitue 75% de notre population. Il faut non seulement les éduquer, les former et les soigner, mais aussi leur trouver des emplois. C'est à ces conditions que la structure démographique de notre population sera un atout pour l'avenir du pays. C'est à ces conditions que nous pouvons transformer notre actif démographique en dividendes économiques. C'est à ces conditions que nous parviendrons à donner à nos jeunes d'autres perspectives que la migration, toutes les priorités du plan de la Renaissance doivent concourir à la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Ces emplois seront portés par une croissance inclusive, dont le taux moyen annuel sera compris entre 5,9% et 7,3% entre 2017 et 2021. Création donc euh, de nouveaux emplois avec euh, le secteur euh, privé, c'est un extrait du message livré par le président de la République, message diffusé sur les antennes de l'OETN à l'occasion de la fête de la proclamation de la République. Quelle analyse, Monsieur Seydou Souley, Mohamedou, pensez-vous que le secteur privé pourra changer les choses et assurer un avenir plus radieux au pays en général et à la jeunesse nigérienne de façon particulière? Alors, Michel, euh, je voudrais euh, revenir sur deux constats. Mhm. Le premier, euh, tout à l'heure, nous le disions tous, le Niger est l'endroit idéal pour investir. Parce que c'est là où il y a presque tout à faire. Mais au-delà de ça, il y a quand même des analystes qui disent aussi, c'est aussi l'endroit où on a l'un des meilleurs retours sur investissement. Mhm. Ça veut dire quoi En termes de temps pour faire un retour sur investissement et de euh, du volume du retour sur investissement, le Niger est l'un des meilleurs, euh, meilleures zones. Mhm. Ça, c'est un facteur qui avantage notre pays. Et une des conclusions que moi j'ai tirées après la table ronde de Paris, mhm. vu l'engagement des partenaires, c'est que le vrai défi, c'est le Niger lui-même. En fait, la balle est dans le camp du Niger. Mhm. C'est ce que les partenaires ont dit en fait au Niger. Comment y arriver alors Voilà. Comment y arriver Tout à l'heure, on a parlé d'emploi. Oui, Partout au monde, le secteur privé est un élément essentiel hein, pour créer de l'emploi. Mm-hmm. Non pas seulement pour créer de l'emploi pour les jeunes, mais pour permettre à ces jeunes de s'auto-employer aussi. Mm-hmm. Euh, donc le secteur privé au Niger peut apporter beaucoup. Mais pour qu'un secteur privé apporte beaucoup, il faut d'abord qu'il soit considéré. Donc, moi, je pense que pour les prochaines années, il faudrait que l'élément central de notre pays soit le secteur privé. Mhm. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un pays où eh, l'entrepreneur, le commerçant, eh, euh, le débrouillard n'est pas toujours bien vu. Mhm. On pense que on n'est plus bon citoyen lorsque, et ça, je ne pense pas que c'est tout le monde qui le pense aujourd'hui, mais on a pensé que lorsqu'on est fonctionnaire de l'État. Mais non, le fonctionnaire de l'État, c'est le secteur privé qui le paye c'est les commerçants qui le payent. Hein? Ce sont les impôts et taxes des citoyens qui le payent. D'accord Il faut qu'on encourage davantage les investissements. Il faut qu'on crée les conditions les plus faciles possibles hein? pour que lorsque un Nigérien ou même un étranger qui vient au Niger hein? veuille investir, réaliser des projets, qu'il les réalise avec le minimum de peine possible. Vous voyez Et de l'autre côté, qu'il y ait un système de reconnaissance. Bon, nous avons vu quand même, même à Paris, un des, points, un des clous, moi, en tout cas, qui m'a touché, c'est aussi qu'on a donné la parole à certains de nos entreprises championnes. J'étais très euh, ému quand j'ai écouté Mme Meida raconter l'histoire de son entreprise. Mm-hmm. Et quand euh, euh, notre ami Al-Mokhtar Alaouri du SIPMEN a eu le floor hein, pour expliquer ce que fait le SIPMEN, c'est encourageant, mais il faut qu'on continue à aller davantage. Donc, pour résumer, oui, le secteur privé est un tremplin et il va beaucoup aider l'État mhm. pour résorber les questions liées à l'emploi, les questions liées même à l'éducation, parce qu'il y a aussi un secteur privé de, l'éducation. Hein. Avec ce que nous faisons avec ADU aujourd'hui, c'est mhm. quelque chose d'extrêmement important. Mais tout cela va, va avoir un impact plus important si on intègre dans le fonctionnement de l'État le fait que le secteur privé et l'acteur du secteur privé sont des éléments clés pour la nation. Et qu'on les protège. Ouais. Donc euh, voilà vraiment, euh, grosso modo, euh, ce que je, pense qu'il faut améliorer pour que nous ayons plus d'impact. Oui, Monsieur Kader Kene un mot par rapport à, ce secteur privé. Le chef de l'État a eu à le dire, un emploi sur quatre, c'est juste ce qu'on a assuré par rapport à ce secteur. Il veut inverser la tendance, comme on dit. quelle analyse vous en faites je pense qu'il a bien dit ça au, départ dans l'extrait que vous avez passé. Il dit qu'il faut construire un capital humain. Et de mon point de vue, c'est, vraiment la chose critique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de problématiques d'emploi des jeunes, mhm. mais dès qu'on regarde du point de vue des entreprises, on parle de problématiques de recrutement. Donc, il est clair que le secteur privé, ne peut pas absorber aujourd'hui tout le unemployment qu'on a, mhm. mais clairement, une grande partie peut être absorbée. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas encore le cas, c'est parce qu'on n'a pas une formation de qualité. Si on n'a pas une formation de qualité, on ne peut pas construire ce capital humain qui est capable de design et de drive le, ch le changement. Humaines, euh, ouais, il n'y aura pas de choses. Il n'y aura, pas de compétences pour changer le pays. donc, de mon point de vue, euh, le président a touché du doigt euh, la chose la plus importante et il, appartient au secteur privé ensemble hein, mhm. de construire les compétences qui permettent de créer cette dynamique de transformation dont on a vraiment besoin. Mhm. Monsieur Kadokane, en tant que président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce que dit le chef de l'État et qu'est-ce que concrètement euh, ce secteur privé peut apporter au pays, comme a eu à l'expliquer Seydou Soule Merci. Euh, optimiste, euh, je le suis. C'est-à-dire partant de ce texte-là du discours du président de la République, on ne peut que fonder un espoir sur l'avenir de la jeunesse de notre pays et celui, un nouvel espoir bien sûr, et celui du secteur privé. D'ailleurs, je retiens une phrase euh, qui m'a particulièrement séduite, mhm. celle de dire euh, qu'il est important de transformer notre actif démographique mhm. d'accord, en dividende économique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très séduisant pour moi en tant que jeune entrepreneur. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la population nigérienne, vous regardez le paysage de notre pays, vous allez comprendre ah qu'on a un capital humain, plus de 75% de la population, à moins de 25 ans. C'est-à-dire avoir ce taux, d'accord, pour euh, une jeunesse dans un pays, c'est quelque chose vraiment de très encourageant et c'est quelque chose qu'il faudrait exploiter. Je pense que si la volonté politique y est, à travers le discours politique bien évidemment, il faudrait traduire, c'est-à-dire ce discours politique en véritable acte mhm. d'accompagnement euh, de ce potentiel-là pour qu'il se transforme en véritable capital. Parce que c'est quoi Aujourd'hui, si vous regardez un peu, il y a euh, vraiment un écart entre le discours politique et les réalisations sur le terrain. Aujourd'hui, au Niger, on est arrivé à un niveau de structuration de notre environnement qui permet mhm. de croire au développement du secteur privé, qui permet de croire à l'épanouissement de la jeunesse. Mais c'est difficile pour la jeunesse, il faut le reconnaître. Moi, en tant que président, je suis obligé de le dire. C'est difficile pour la jeunesse mhm. de, de trouver facilement de l'émergence parce que l'écart là, il est considérable. Mhm. On a un ministère de l'entrepreneuriat jeune qui est en place. On a le secteur privé euh, jeune qui est très bien organisé euh, à travers euh, notre association. Les trois membres que vous voyez ici, là, les trois personnes présentes que vous voyez ici font tous partie de, notre association. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord, nous sommes tous membres de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, membres fondateurs d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, ce qui justifie la volonté, la détermination de la jeunesse à apporter le changement à travers une très bonne organisation du milieu dans lequel elle évolue. Maintenant, c'est à l'État de concrétiser, d'accord, de manière très euh, encourageante ce milieu pour nous permettre d'évoluer sans aucun problème. Parce qu'on ne va pas revenir, ce n'est pas le but de notre euh, échange aujourd'hui, de notre euh, débat. On ne va pas revenir sur les problèmes de la jeunesse, je pense que ça a été évacué depuis. Mais la participation de la jeunesse à cette table longue de Paris, je pense que c'est une première. Pourquoi une première Parce que, euh, d'ailleurs, même pour le secteur privé, si vous voyez, la plupart des participants étaient vraiment du secteur privé. Les jeunes étaient là-bas en quantité importante. Je ne sais pas exactement au nombre de combien on était, parce que il y a les jeunes qui viennent du secteur privé, il y a ceux qui viennent de l'administration publique, et j'ai vu quelques jeunes qui évoluent dans la société civile, les acteurs de la société civile. Vous voyez Exactement. Il y avait la diaspora également. Et les invités, il y avait des invités également. Et la plupart des invités qui étaient là-bas pour échanger avec euh, les participants, c'était des jeunes qui évoluent en France et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce qui veut dire que, euh, sincèrement, euh, l'implication de tous que nous avions pu remarquer sur le terrain là-bas au moment de cette table ronde démontre à plus d'un titre combien les acteurs et les animateurs de l'économie de notre pays sont prêts mhm. à être présents quand on les invite pour euh, redynamiser notre économie et produire euh, suffisamment de la valeur et de la richesse. Monsieur Kane Abibou, euh, président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, jetons à présent un regard sur quelques projets retenus à cette conférence de Paris. D'abord, est-ce qu'il y a eu des critères de choix euh, des critères de choix, même s'il y en avait eu, moi je ne les connais pas parce mhm. que j'ai été candidat comme tous les autres jeunes entrepreneurs à, travers la Chambre de commerce qui est la structure mère mhm. qui gère euh, le secteur privé nigérien. Donc mhm. ils nous ont demandé de présenter des projets à travers euh, euh, une fiche de projets à remplir. Donc je pense que la plupart des projets qui ont été soumis à l'appréciation du comité d'organisation, c'est des projets qui existaient déjà. Les gens ont mis les, entrepreneurs, si vous voulez, ont déjà mûri les réflexions sur ces projets, d'accord Mais ils attendent que seulement des sources de financement. Et ça, je tiens à le dire. Hein. C'est-à-dire la jeunesse nigérienne entrepreneuriale ne manque pas d'idées, mmh. elle ne manque pas de projets. Mais la plus grande difficulté que rencontre cette jeunesse, c'est l'accès au financement c'est-à-dire à travers les établissements financiers de la place, il est très difficile de trouver un crédit d'investissement. Alors qu'un jeune qui a une idée, qui a un projet, que ce soit à travers une start-up ou bien à travers une entreprise euh, déjà mise en place, il a besoin d'un accompagnement euh, intégrale, si vous voulez, plus ou moins. Parce que quelqu'un qui a les idées, euh, c'est pas évident qu'il euh, qu'il qu'il ait également les moyens de mettre euh, en œuvre, d'accord, l'exécution de ces idées-là. Donc les jeunes ont... dire qu'il y a des nouvelles opportunités qui vous sont ouvertes à travers. on l'espère, on l'espère. Vous mm. savez, il y a une chose, il y a une différence entre quelque chose de réel, quelque chose d'obtenu et les promesses. C'est-à-dire notre pays a trouvé vraiment une promesse d'être accompagné, d'être financé à travers les projets qu'il a justifiés mm-hmm. lors de cette table ronde de Paris. Maintenant, les acteurs économiques mm-hmm. euh, du privé que nous sommes, d'accord, nous devons continuer quand même à faire euh, euh, les pressions nécessaires au niveau des organisateurs pour que le suivi soit assuré. Et l'État qui est l'acteur principal de l'organisation de cette mm-hmm. table ronde de Paris, doit également jouer son rôle de continuer à créer ce cadre de concertation, d'échange entre lui, le secteur privé, d'accord, et les mmh. partenaires économiques et financiers mmh. pour que toutes les promesses qui ont été faites là soient tenues à travers euh, effectivement le montage des, des, des, projets. Parce que là, il y avait eu que des fiches de projets. Maintenant, on attend de nous des projets euh, bancables, mmh. solvables, bien euh, élaboré, d'accord, pour pouvoir euh, accéder à ce fonds-là. Et je pense que le secteur privé vraiment a, a trouvé euh, tout ce qu'ils cherchent là-bas, parce que mhm. le secteur privé nigérien ne souffre que de financement et non de projets ou bien d'idées de projets. Mhm. Est-ce que vous voyez mhm. Donc les projets sont là. On n'attend que seulement les moyens, les ressources pour mettre en œuvre ces projets. Et au niveau de la table ronde de, de Paris, on a trouvé plus que ce qu'on avait souhaité avoir. Et donc maintenant, en nous, de, nous organiser à notre niveau et d'approcher ces partenaires-là pour mhm. pouvoir dénicher ces, fonds afin de, les injecter dans notre économie euh, à travers le secteur privé. Grosso modo, c'est ce que je peux dire. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que dit Kado, euh, euh, mhm. notre président. Alors, certes, le secteur privé a besoin de financement, mais il n'a pas besoin que de financement. Il a besoin de ressources humaines, il a besoin de, renforcement du cadre légal. Mhm. Et pour ça, je reviens par rapport à comment faire en sorte que notre secteur privé produise plus d'impact. Une des choses cruciales, c'est qu'il faut que le public travaille résolument mhm. pour développer le secteur privé. Vous savez, eh, aujourd'hui, on a depuis quelques années, il y a le, le climat des affaires. Oui a été vraiment beaucoup renforcé dans notre pays. C'est ça aussi qui montre l'engouement des jeunes à entreprendre, parce qu'on a facilité la création d'entreprises. On a facilité un certain nombre d'indicateurs pour le doing business. Maintenant, le vrai défi, c'est quoi C'est la pratique des affaires. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que dans la vie de tous les jours, face hein, à l'administration, face au, service public, que l'entrepreneur ait mm-hmm. des interlocuteurs qui sont sur la même longueur d'onde que lui, qui mm-hmm. comprennent les mêmes enjeux qui vont faire en sorte que ces acteurs-là vont lui faciliter la vie. Et quand je dis lui faciliter la vie, je ne parle pas de complaisance, mhm. mais qu'on va créer des mécanismes et des procédures qui vont faire en sorte que quelque chose qu'il peut faire en une heure, qu'il le fasse en une heure par en un mois. D'accord Voilà. Ou en dix minutes. <laughs> D'accord mhm. Donc, c'est ça le grand défi. La question des ressources humaines, aussi, le public et le privé doivent travailler ensemble pour que il y ait le meilleur possibilité d'accompagnement du secteur privé. Je te donne un exemple à euh, Kadoré. Aujourd'hui, et d'ailleurs, quand on était là-bas, on dit notre ambition dans 5 ans, en 2021, c'est d'être parmi les 50 pays les plus performants en matière de réformes économique dans le monde et cinquième en Afrique. En Afrique. Alors, pour avoir cette ambition-là, pour la réaliser, on ne va pas quand même croiser les bras. Il faut un big bang hein, mm-hmm. dans notre façon de faire. Mm-hmm. L'île Maurice, qui est arrivé à être premier en Afrique, l'île Maurice a fait des réformes incroyables. Moi, j'ai un ami mauricien qui me dit, vous savez, chez nous, d'abord, quand vous créez une entreprise, c'est en quelques heures que vous la créez. Sur Internet, vous n'avez pas besoin d'aller. Bon, là, on est, en train de faire des progrès. Mais plus que ça, quand vous voulez, vous avez créé votre entreprise. Pendant les deux premières années, l'État vous dit écoutez, vous n'avez pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas Vous mm. voulez recruter deux, trois personnes, prenez-les. Si vous leur donnez un salaire de 100 000, moi, je prends les 50 mm. D'accord Aujourd'hui, nous avons, euh, avec la, euh, un programme un peu similaire qu'ils appellent l'insertion professionnelle des jeunes, n'est-ce pas mhm. Mais ce programme-là n'a pas atteint ces niveaux. Et deuxièmement, quand vous voulez former des jeunes, aujourd'hui, vous, êtes à, lui, il est architecte, il veut, par exemple, des vrais designers. Il n'y en a pas, il peut exprimer son besoin au niveau de l'État, l'État va voir à comment l'accompagner. Il y a un problème réglementaire qu'il faut résoudre. L'État s'intéresse tout de suite à ça et avec les entrepreneurs, ils travaillent, ils le résout rapidement. Je pense qu'il y a même un fonds pour ça, hein, le FAPA. Monsieur Kader, euh, comment accélérer rapidement les choses euh, pour que euh, vraiment tout ce qu'on est en train de dire soit une réalité en 2021 Après, comme Le grand problème, je pense, là où on a le plus grand risque, c'est qu'il y a un fossé entre ces gens-là qui ont organisé ça, qui ont convaincu les bailleurs et tout, et les gens qui vont accueillir ce qui va se passer. C'est pas la population, vous voulez dire C'est pas la population, c'est la, chaîne intermédiaire. La chaîne des décisions. C'est-à-dire aujourd'hui, on va avoir un président qui va aller là-bas, qui va séduire tout le monde et tout le monde dit, all pour votre secteur privé, je vais vous donner 10 milliards, n'est-ce pas mhm. Maintenant, les investisseurs vont prendre leur avion, descendre ici, Déjà à l'aéroport, j'espère qu'ils seront bien accueillis. Mhm. Mais pire, une fois qu'ils ont allé à l'hôtel et qu'on les a maltraités dans l'ascenseur et tout, le lendemain, qu'elles auront la première réunion, soit au ministère, soit à l'agence de XYZ. Je crois que c'est là-bas que le, le, tout se joue. C'est que on a l'impression qu'en gros, mm. on a des gens qui savent ce qu'ils font et qui arrivent à convaincre même des gens impossibles à convaincre. Mais après, c'est quand les gens arrivent ici qu'il n'y a mm-hmm. personne en face pour leur répondre. En fait, il faut dire les choses comme elles sont. La plupart des gens qui sont en face pour répondre, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils veulent tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont gagner Qu'est-ce qu'ils vont gagner tout de suite On a des investisseurs qui nous ont dit vraiment Niger c'est compliqué parce que avant même que tu investisses, il y a des gens qui veulent commencer la corruption. Ça, c'est les choses qu'il faut arrêter. De mon point de vue, si on arrête la corruption, il y aura un boulevard pour investir. Mm-hmm. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui est raisonnablement dans son, <coughs> dans son right mind mm-hmm. de venir des États-Unis, d'Europe, venir en jet privé, s'asseoir ici, dire je vais investir. 100 milliards dans votre économie et tu dis donne-moi un milliard maintenant. Mais comment Le gars, il prend l'avion, il bouge, il va au Burkina. Ou le lendemain. Une petite incompréhension fiscale. Tu lui hein hein. euh, envoies des gardes. voilà, la police. ou la garde dans, son Il va te remettre ce que tu as dit, mais il ferme l'usine. Entre-temps, il n'a mis que 20 milliards sur les 100. Il va s'en aller, il va détruire 1000 emplois et jamais plus il va revenir. Et pire, quand ses autres amis vont dire Oh, I'm planning to do something in Niger, il va dire quoi Surtout Jamais, surtout pas, exactement. Ça veut dire qu'il y a un grand travail à faire. On a un grand travail à faire dans la chaîne Le président de la République doit continuer au niveau euh, de tout le gouvernement. Ah, en, fait, ça, vous savez, il ne faut pas mettre tous les fardeaux sur un président de la République. C'est ça aussi notre en fait, problème. En fait, la responsabilité lui incombe. La responsabilité lui incombe. Moi, je pense que, honnêtement, hein, et, ça, moi, je partage ceux qui ont cette idée-là. Je pense que sur ces questions-là, le président est en train de faire ce qu'il doit faire. Mhm. Maintenant, au-delà, il faudrait juste que son gouvernement parce qu'il a de l'influence sur son gouvernement, qu'il leur dise la même chose qu'il est en train de dire aux gens de, l'extérieur, aux acteurs, que voilà ce que ça implique comme conséquence pour vous. Moi, je pris ces engagements-là, et si vous ne vous prenez pas euh, dans les bonnes dispositions, voilà les, conséquences qu'on peut avoir. Et donc, le gouvernement, lui aussi, doit faire répercuter tout ça dans toute mm-hmm. la chaîne. Oui, Parce que le président, un président de la République, quel qu'il soit, ne peut pas être derrière tout le monde. Et ce n'est pas son job. Son job, c'est d'assurer notre vision générale. Mhm. Et sur ce plan, on a gagné. Maintenant, moi, j'aime bien que voir déjà des ministres de plus en plus performants. Mhm. J'aime bien voir des directeurs de l'administration de plus en plus performants et même des plantons performants. Si on a ça, d'accord, mais si on fait tout ça et que, bon, même euh, les, ministres n'arrivent pas à suivre le pas, et, euh, on, vient, on parle même, même, même si, par exemple, les gars ne parlent pas de corruption autre, si un investisseur vient, il vous parle et que vous n'êtes même pas à son niveau, vous ne comprenez même pas ce qu'il dit. Mais come on, comment il peut continuer avec vous mm-hmm. hein? vous ne pouvez pas répondre à ses attentes. Alors que donc, vous représentez l'État voilà, Voilà. Et donc, ça, c'est des questions tout à fait pratiques. Mm-hmm. Et on a vu dans notre pays, partout où on a pu solutionner ça, où on a mis vraiment des gars qu'il faut, où on a pris les meilleures dispositions qu'il faut, on arrive à des résultats. Tout à fait. D'accord et ça, il faut qu'on capitalise ce savoir là où on a eu des résultats parce qu'on a coaché les gens, parce qu'on a renforcé les équipes, parce qu'on a mis des gars performants et généraliser ça dans le système. Mhm. Nous allons accélérer, Monsieur le Président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Euh, il y a eu des projets, on l'a dit, au nombre de 63 pour le secteur privé. Il y a d'ailleurs parmi ces projets un qui vous appartient. C'est lequel et qu'est-ce qu'il contient d'important euh, Merci bien. Euh, j'aimerais d'abord revenir sur ce que Kader a eu à dire de, façon succincte, de manière succincte, C'est-à-dire sur le rapport que mhm. doivent avoir les deux secteurs, là, le secteur public et le secteur privé. C'est très très important pour nous. Mhm. C'est vrai qu'il y a une cellule même qui a été créée, qui est directement rattachée à la présidence, la cellule euh, de la gestion du partenariat public-privé. là. c'est-à-dire, euh, cette cellule-là, en réalité, nous, à notre niveau, hein, c'est-à-dire, elle n'a pas particulièrement profité au secteur privé nigérien. Parce que mhm. pourquoi Elle n'a pas profiter au secteur privé nigérien. C'est-à-dire le niveau d'investissement qu'il faut pour accéder au projet que cette cellule mm-hmm. gère. Très souvent, les jeunes nigériens n'ont pas atteint ce niveau-là. Et donc, c'est important à ce que toutes les politiques qui, qui doivent être mises mhm. en place travaillent vraiment avec les réalités du terrain. Kader a eu à le dire euh, qu'il y a un écart, il y a un fossé entre ceux qui partent négocier ces affaires-là et ceux qui assurent l'exécution sur le terrain. C'est-à-dire, nous, nous connaissons la réalité. Vraiment, il faudrait faire les choses, d'accord, à notre niveau, faire en sorte que quelle que soit la politique qui soit définie, qu'elle soit sociale, économique, culturelle, mhm. répondent aux besoins et surtout aux capacités d'accès par la population nigérienne. C'est très important. Donc je reviens à la question, c'est-à-dire concernant le projet, moi en tout cas j'ai soumis à l'appréciation du comité un projet de construction d'un centre de loisirs touristiques à Niamey dans la mhm. zone euh, de, de Pilule, au bord euh, du fleuve Niger. Dans le cinquième oui, arrondissement. Dans, dans le cinquième arrondissement. Donc mhm. c'est, c'est-à-dire euh, nous on a réfléchi sur ce projet-là d'après un constat qu'on a fait qu'à Niamey il n'y a vraiment pas des espaces de distraction et que toute la distraction s'organise de manière très archaïque, d'accord, euh, oui, oui, dans la, dans la périphérie, c'est-à-dire au bord du fleuve Niger. Et donc, du coup, normalement, c'est quelque chose vu euh, vraiment euh, la réputation de notre pays, d'accord, d'être une terre d'accueil. Il faudrait que à chaque fois qu'il y a des, des, des, des, visiteurs dans notre pays, ils trouvent quand même un cadre récréatif dans lequel, euh, dans lequel ils peuvent vraiment se retrouver, se ressourcer, se reposer. Donc, raison pour laquelle on a proposé ce projet-là d'aménagement de 2 hectares. Donc, c'est un projet de presque 5 milliards. C'est du grand standing. Hein. Voilà. Et puis, bon, il euh, y aurait, il y aurait vraiment un centre de conférence la, La finition des travaux, de deux ans, deux ans mhm. maximum. Ça serait après le sommet de l'UA. Oui, en principe, ça serait après le sommet de l'UA. Mais si on arrive vraiment à trouver le financement, on peut engager les choses pour déjà évacuer les infrastructures euh, qui peuvent euh, vraiment être utiles dans le cadre de l'organisation de ce sommet. Mhm. Et donc, pour le moment, on ne peut pas dire avec exactitude, voilà, on a trouvé le financement. Mais ce qui est sûr dans les promesses tenues, c'est-à-dire c'est à nous maintenant de, de, de, montrer euh, vraiment notre intérêt de, de, pouvoir arriver à la réalisation effective de ce projet. J'aimerais revenir sur quelque chose hein, que mhm. j'ai pas pu dire à propos de l'intervention du, président de la République. Là, mhm. ça c'est à propos de la formation et de la création de l'emploi. Mhm. C'est-à-dire, vous voyez, euh, ça c'est lui qui a évoqué la question, et donc mhm. c'est pour ça que j'ai vraiment, je, reviens là-dessus. Donc, à propos de la formation, c'est-à-dire les jeunes Nigériens, euh, ils ont la formation plus ou moins. D'accord Ils ont plus ou moins. Acceptable, mm-hmm. plus ou moins. C'est vrai que peut-être Kader, il peut avoir euh, une euh, explication toute autre si je le dis. si je dis formation, je n'ai pas parlé de la qualité de la formation. Mais quand je dis formation, c'est le fait de trouver disponible quand même des gens qui sont diplômés, mm-hmm. d'accord qui, qui, sont sur le marché mm-hmm. euh, de travail. Donc, les Nigériens sont là, les jeunes Nigériens sont là, ils ont la formation, ils ont besoin d'être euh, qu'on les rende opérationnels. Qu'on les exploite, qu'on leur montre que ce qu'ils ont étudié, c'est quelque chose vraiment qui peut servir au développement de notre pays. Quant à la création de l'emploi, également, il a évoqué la création de l'emploi, son excellence. Je pense que euh, la politique au Niger, on a tendance, on a tendance à vouloir expliquer la politique de, de, la création de l'emploi ou à mettre en œuvre la politique de la création de l'emploi à travers essentiellement la création de l'emploi mhm. par le recrutement dans la fonction publique. Mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, ah, c'est quoi Exactement. <laughs> non, plus ou moins, plus ou moins, c'est ça, la tendance, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi mhm. Quand on facilite les choses mhm. euh, aux entreprises euh, du secteur privé, d'accord on facilite les choses à tous ces jeunes diplômés là qui sont sans emploi de pouvoir créer, d'accord Parce qu'une chose n'est pas, euh, le plus difficile n'est pas de créer une entreprise, quoi. Mais tu crées une entreprise, c'est assurer, d'accord, la gestion de cette entreprise là à travers des facilités que tu vas trouver par la pénétration, mhm. euh, d'accord, euh, de l'environnement des affaires, la pénétration institutionnelle. Mhm. C'est-à-dire, on a tendance à chaque fois dans le secteur privé de se retrouver seul face au développement, à la croissance de son entreprise. Mhm. Donc il faudrait que l'État ait vraiment une mainmise. Il doit être debout, très regardant sur l'évolution des entreprises, d'accord, voir comment on peut les aider. En réalité, c'est la volonté peut-être qui peut manquer, mais il y a, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas aider ces jeunes entreprises-là qui sont là à travers des programmes, d'accord, que l'État lui-même peut mettre en place. Parce que les jeunes entreprises nigériennes, c'est quoi Ce ne sont pas des entreprises qui ont besoin des milliards. Moi, je connais des, des, des, des jeunes entreprises membres de notre association au moment de, de, de, de, la préparation de la table ronde de Paris là, la plupart à plus de 80%, ils ont proposé des projets, d'accord, qui ne dépassent même pas 15 millions. Mhm. Et il y a eu un, agent de la chambre de commerce qui m'a appelé pour me dire, mais écoutez, moi je ne comprends pas pourquoi les jeunes entrepreneurs là sont des petits ruminants. Ils, <laughs> ils ils, ils, ils, demandent moins de 15, 10, 15 millions. Mais nous, on a besoin des grands projets structurants. Donc en réalité, c'est quoi C'est vrai que les grands projets structurants, c'est eux qui participent de manière très efficace au développement économique de notre pays. Mais ces petites, petites entreprises-là qui sont là, en herbe, ce sont ces petites, petites entreprises-là qui sont capables de faire quelque chose. Et je pense que systématiquement, tous les projets, d'accord, qui ne dépassaient pas les, les, 100 millions, les milliards ont été écartés. Mm. Donc il ne faut pas oublier ces petites entreprises-là. Pourquoi moi je parle au nom de ces petites entreprises Ce sont euh, c'est la majorité de ces petites entreprises-là qui composent notre association. Et moi, je suis certain que les activités, euh, si on fait, si on part ensemble, d'accord, les activités de ces petites, petites entreprises-là ont un fort impact sur l'économie de notre pays. Parce que si vous regardez, elles sont portées par des jeunes entrepreneurs qui aiment évoluer dans le cadre légal. D'accord Et donc, ces jeunes entrepreneurs qui veulent évoluer dans le cadre légal, même si c'est un franc, euh, euh, qu'ils versent chaque mois pour l'État du Niger. Un, ils ont apporté la solution à un problème de l'emploi. Cela veut dire que s'il y a 4 000 comme elles se créent chaque année ou 5 000, il va y avoir 5 000 multipliés par 3 ou multipliés par 4 emplois. Ce qui veut dire que à travers ces mesures-là, d'accompagner ces jeunes entrepreneurs, de, ces jeunes entreprises et de leur créer de facilités pour accéder surtout à la commande publique. Parce que le problème, c'est quoi C'est-à-dire la commande publique, elle est pratiquement inaccessible par les jeunes entrepreneurs parce que les conditions ne le permettent pas. Merci, Monsieur le Président, pour ce plaidoyer. Monsieur Seydou, nous allons revenir à vous. Permettez-moi d'accélérer. Nous allons finir dans une poignée de minutes. Voyons un autre projet parmi ces 63 projets retenus pour le secteur privé. Il s'agit de ce projet d'une valeur de 15 milliards de francs CFA déjà mobilisés. c'est celui de la construction d'un grand complexe universitaire de 15 000 places à Niamey. Il est détenu ce projet par l'université suisse, suisse UMF e University, présente au Niger il y a un an. On écoute le directeur général de Suisse UMF e University of Niger, Taïwo Korombeze. Alors, il y a beaucoup d'intérêt pour le Niger. La première des choses, c'est la formation des cadres, des managers et des leaders du pays. Vous savez bien que pour réaliser euh, les objectifs euh, que le Niger s'est fixé, Il faudrait avoir la main-d'œuvre qualifiée. Les investisseurs qui vont venir, qui veulent ouvrir des usines, ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc nous allons former des juristes, nous allons former des managers, des ingénieurs qui vont faire tourner l'économie nigérienne. Et l'autre intérêt pour l'économie du Niger, c'est que ça va faire euh, développer le tourisme académique. On aura des professeurs euh, de 24 nationalités qui vont venir au Niger dans notre campus. Nous aurons des étudiants de plusieurs nationalités qui vont venir dans notre pays et qui vont dépenser de l'argent, bien évidemment. Et tout ça procède au développement de l'économie du Niger. Nous avons l'honneur d'ailleurs de vous dire que l'architecte de ce projet est là parmi nous. Il s'agit du président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, M. Kadore Kane. Toutes nos félicitations, et M. Seydou. Il y a eu des acteurs qui pèsent significativement dans cette amélioration. Mhm. Moi, j'apprécie vraiment le leadership et l'engagement de la Banque mondiale qui qui présente le doing business. Qui présente, euh, mais qui pousse aussi tous les, autres acteurs. Mm. Et d'ailleurs, une fois, je l'ai dit à un de nos ministres, je pense que c'était à Allemand, je lui disais, moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à un jour où c'est à nous de dire à la Banque mondiale, venez hein, voir mm-hmm. euh, ce que nous avons fait. Monsieur Kader faut-il changer de comportement ou comment faire pour ne pas décourager tous ces investisseurs, comme vous avez à le dire Ce serait en quelques mots. Je pense que chacun doit juste se dire que si ça marche, c'est plus pour nous que pour quelqu'un d'autre. Franchement, je pense qu'il est temps d'arrêter les divisions et de se dire, hey, on est ensemble dans ça, au moins jusqu'en 2021. Faisons en sorte qu'on ait les 23 et plus que ça, au lieu de se battre. Monsieur Kadore, vous convenez Ah bien sûr, je, je bien. Je pense qu'on parle le même langage parce mhm. qu'on a les mêmes visions, on défend les mêmes intérêts. Et je tiens vraiment à prier pour que la beauté de ce programme-là, moi, quand je l'ai parcouru vraiment à travers les lignes, vous avez l'impression de voyager dans un petit paradis. C'est-à-dire si on arrive à, réaliser quand même euh, tout ce qui a été arrêté. Je pense que d'ici 2025, le Niger sera totalement transformé. Merci à vous tous euh, d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes au terme de cette émission. La participation des jeunes entrepreneurs nigériens à la table ronde et au forum des investisseurs tenu les 13 et 14 décembre dernier à Paris sur le financement du plan de développement économique et social du Niger P2S 2017-2021. C'était le thème du forum de ce soir. Nous étions en compagnie de trois invités tous des jeunes entrepreneurs nigériens présents à ces rencontres de Paris. Monsieur Kadore Kane, il est directeur général du cabinet d'architecture Agence VIS Afrique et président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Monsieur Kader Kane, jeune leader nigérien, fondateur de l'Université African Development University à de Niamey et Monsieur Seydou Souley Mohamedou, jeune leader entrepreneur, également directeur général de Impact. nous voyons voyons clairement qu'un nouvel espoir est permis, mais cela nécessite encore beaucoup d'engagement, aussi bien du côté des hommes politiques que du côté des citoyens. Chacun doit faire de ses projets donc les siens. Et fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Degé pour la présentation à la technique Seine à la réalisation de l'eau Passez une excellente soirée et au revoir.